11h. Et qui dit 11h dit le rendez-vous de Niger sur Kalangou. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Nous sommes particulièrement très heureux de vous retrouver ce vendredi 31 mars 2023 pour le dernier numéro de votre rendez-vous. Je suis Olivia Sogbavi et à mes côtés, Mariam Adé. Mariam, bonjour. Bonjour Oli, j'espère que tu vas bien ce matin. Tranquille et toi, tu vas bien Ça va bien, merci. Alors Oli, aujourd'hui nous allons échanger avec al mouktar Seni, spécialiste de la transformation digitale des entreprises et des organisations. Avec lui, nous allons aborder la question de la collecte, la protection et la diffusion des données informatiques. Oui, actualité oblige, aujourd'hui c'est la journée internationale de la collecte des données. Comme d'hab, le Niger c'est de l'information, des conseils bien-être, d'éthique culinaire et également du divertissement comme les lotis, la rubrique rose, le portrait du jour, la culture linguistique. Mais en attendant, sur les flash info avec fils Adamou Sirfo. Bonjour alors Mariam, bonjour Olivier. Salut Nafi. Aujourd'hui, pour le flash de ce jour, les membres entrants du Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias au Niger, prêteront serment aujourd'hui même. Ils sont au nombre de 15 personnalités à être nommées membres du CSC dans un décret signé le 27 mars par le président de la République. Selon l'agence nigérienne de presse, ces nouveaux membres ont un mandat de 5 ans à compter du 30 mars 2023. Ensuite, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, est en visite au Niger. Il a déclaré hier vouloir redéfinir une nouvelle ère de développement avec le Niger. Dans un discours qu'il a animé, David Malpass a tenu à saluer les efforts du gouvernement nigérien dans la lutte contre l'extrémisme violent, mais aussi pour maintenir les acquis démocratiques. Il a également réitéré l'engagement de son institution à coopérer dans le domaine énergétique, de l'éducation, du secteur privé et dans la lutte lutte contre le changement climatique, entre autres. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé organise à ce jour pour les scolaires de Niamey une journée de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, sur la prévention du tabagisme, la consommation de la drogue et la sécurité routière. C'est en prélude à la journée mondiale de la santé le 7 avril prochain, qui est également jour de la célébration du 75e anniversaire de l'OMS. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition d'information de 17h. Merci Nafissa pour ces infos. Comme annoncé en début d'émission, l'invité du jour, c'est Al-Mokhtar Seni. Il est spécialiste de la transformation digitale des entreprises et des organisations. Avec lui, nous parlerons de la sauvegarde des données informatiques et pourquoi est-elle si importante. À l'ère du digital, les données sont souvent sous diverses formes, texte, images, vidéos. Ben, nous vous en dirons plus tout à l'heure. Mais avant cette interview, retrouvons les conseils du ramadan avec les prédicateurs. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes au neuvième e jour des jeunes et selon les prédicateurs, Sheikh Ben Salah, il recommandait qu'au cours de la première décade, les fidèles musulmans multiplient les bonnes œuvres pour rechercher la miséricorde de Dieu la première décade est la décade de la miséricorde. Rahma, miséricorde sous toutes ses formes. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du meilleur des messagers, nous fait comprendre que il est question de régler sa montre à l'heure du septième ciel et de la bloquer parce que, justement, pendant cette première décade, sa miséricorde est infinie. Et de façon générale, pendant ce mois, toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les occasions nous sont offertes pour y accéder. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont passés aux chaînes. Alors c'est une chance inestimable d'être à la première décade du mois béni de Ramadan qui est miséricorde, qui est rahmat d'Allah et de prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de réussir ce mois, que nous sortions de ce mois tous nos péchés effacés par la miséricorde d'Allah avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis aux musulmans du Niger, aux musulmans des quatre coins du monde, qu'il en soit ainsi à Rabbal après dix jours d'abnégation, d'abstinence, selon les religieux, le jeuneur doit éviter certains comportements afin de bénéficier des bienfaits de cette deuxième décade du mois de Ramadan qui va commencer ce week-end. Oustaz Haladouyaya, prédicateur, il nous explique. La deuxième décade, euh, étape qui a besoin de beaucoup de patience et d'efforts, il faut encore serrer la ceinture à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà inviter, appeler, rappeler pour vous qui avez cru, chercher secours, chercher l'issue auprès de Allah avec la prière, les et avec la patience et Allah dit qu'il est avec les patients. Donc il nous faut être patient dans l'obstinence, patient dans les relations avec nos prochains. Le prophète Mohammed a dit, même au cas où on nous provoque, notre réponse devrait être je jeûne je jeûne le 31 mars, c'est la journée internationale de la collecte des données informatiques, une journée au cours de laquelle la communauté numérique repense à l'utilisation des différents types de données qui se collectent, comment elles sont traitées et diffusées. Et pour cette journée, Mariam, notre invité du jour, Al-Mokhtar Seni, est spécialiste en transformation digitale des entreprises et organisations. Dans cet entretien, il nous parle de la collecte, le traitement, la sécurité, la gestion et la diffusion de ces données informatiques qui deviennent de véritables défis. Cette première question pour commencer, qu'est-ce que le sauvegarde des données informatiques et pourquoi est-elle importante alors, le, la sauvegarde de données informatiques, de manière euh, résumée pour tout le monde, je dirais que c'est un, un, procédé à travers lequel vous prenez une donnée, vous la déplacez, vous la, déplacez, vous la déposez sur un support dédié euh, qui peut être juste à côté de vous, ou qui peut être distant, pour divers usages, pour pouvoir la partager avec des personnes différentes, pour pouvoir éventuellement revenir plus tard l'utiliser, et également parfois pour des raisons de sécurité. Donc euh, on déplace, on sauvegarde des données pour diverses raisons, euh, pour votre usage personnel ou souvent pour votre usage professionnel. Et pourquoi il faut justement bah, sauvegarder ces données alors, je, commencerai par un principe bête. Je dis souvent aux, personnes avec qui souvent je travaille que je suis de base <laughs> informaticien, mais je n'ai pas trop confiance à l'outil informatique parce qu'il peut me lâcher à tout moment. Donc, la sauvegarde vous garantit d'avoir d'abord votre donnée à disposition à tout moment. Vous avez un ordinateur qui tombe en panne, votre donnée sauvegardée sur un disque dur, sur, sur le cloud ou autre, vous permettra de facilement accéder à nouveau à votre donnée. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes à une ère où tout le monde est connecté, donc sauvegarder votre donnée peut vous permettre d'accéder à distance, mais surtout, surtout, de partager et de pouvoir travailler avec différentes personnes sur la même donnée. Donc voilà en quelques lignes euh, ce pourquoi je pense qu'il est important de sauvegarder une donnée. De nos jours, les données sont collectées par les particuliers. Lors d'une formation, par exemple, que j'organise ou bien quelqu'un organise, bah, on lance des Google Forms on collecte le nom, le prénom, la date, l'âge de naissance, des fois même des photos bah, des, des gens par les particuliers, les entreprises, les institutions internationales, les institutions nationales, l'État. On se demande alors quels sont les différents types de sauvegardes qu'on puisse avoir pour ces données informatiques D'accord. Du point de vue professionnel, il y a essentiellement, disons, trois à quatre types de sauvegarde. Donc, je, je vous les citerai sans pour autant rentrer dans tous les détails. Mm. Vous avez une sauvegarde totale qui qui consiste à sauvegarder la totalité des données que vous voulez transférer sur un support. Euh, vous avez une, une sauvegarde incrémentale qui prend la dernière euh, donnée qui a été modifié ou qui a été mise à jour sur un fichier. Par exemple, vous travaillez sur un fichier Word partagé ou sur euh, un quelconque fichier. Cette sauvegarde va juste prendre les dernières modifications que vous avez faites et vous avez ensuite une sauvegarde différentielle puis une sauvegarde euh, delta. Donc, de manière résumée, chacune s'utilise et se configure en fonction du besoin spécifique. Maintenant, pour revenir à la question relative à toutes ces données qui sont collectées, aujourd'hui, nous avons une agence qui s'occupe de réguler toutes ces données du point de vue personnel, les organisations euh, les entreprises commencent à se conformer pour tout usage, pour tout logiciel, pour tout produit. Elles lancent des requêtes, euh, elles, assurent qu'elles sont conformes à tout ce qui se fait. Mais du point de vue personnel, je pense qu'il faut encore pousser la sensibilisation parce que l'outil Internet est utilisé par tout le monde en fonction de son inspiration. Pour l'instant, ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça se fait. Euh, ni essentiellement pourquoi il faut bien prendre soin de sauvegarder ces données qu'on collecte de, de, de, partout. Donc voilà. Il y a aussi une question très importante. Aujourd'hui, quand on parle de données, les gens, s'ils pensent avec des choses beaucoup plus poussées, mais non, à côté de nous, dans nos rues, il y a les agences de transfert d'argent, il y a des, le, tablier, le tablier dans le quartier, chez qui je pars pour faire le chap-chap par exemple, il a mes données, c'est-à-dire il a mon numéro de téléphone. Si j'ai envie de faire euh, Mkouli à quelqu'un par exemple, il a le numéro de téléphone des gens avec qui je transfère de, de, l'argent, les gens avec qui j'ai des interactions financières. Est-ce que tout cet écosystème aujourd'hui, fortement, on ne dirait pas fortement dans les autres régions, mais à Niamey quand même, très fortement euh, digitalisé. Est-ce que tous ces, ces, acteurs sont conscients de l'importance de ce qu'ils détiennent comme données Malheureusement, Parlons de notre écosystème nigérien, pour l'instant, ce n'est pas tout le monde qui est conscient. Euh, j'explique. Aujourd'hui, dès que vous installez une application, on vous dit est-ce que vous autorisez cette application à accéder à telle ou telle partie de votre téléphone, mais surtout à pouvoir accéder à telle donnée, à la sauvegarder ou à la envoyer. Donc ça, ça vient d'un écosystème qui est bien averti. Euh, ces gens qui développent des solutions qui vous permettent de les utiliser, les applications que nous utilisons au quotidien. Donc dans divers pays aujourd'hui, des résolutions sont prises par les décideurs pour commencer par les plus grandes structures qui génèrent ces données. Vous avez parlé du cas du tablier. Aujourd'hui, euh, les opérateurs de télécom qui permettent à ce tablier de faire un certain nombre d'opérations, euh, les agents de transfert qui ont un certain nombre de données relatives à vous quand vous envoyez de l'argent, euh, certainement se sont conformés à ce qui existe comme réglementation. Mais du point de vue public, euh, je pense qu'il faut vraiment pousser cette information pour que les gens sachent que derrière, même à petite échelle, une donnée collectée qui ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, il, faut, il va falloir à un moment donné euh, respecter un certain nombre de procédures. L'agence à proprement dite pour la création des données n'est pas très ancienne que ça. Donc, je pense que dans les temps à venir, euh, il y aura certainement des actions de sensibilisation à destination du grand public pour qu'il soit au courant de tout ce qu'il a comme données, comment les traiter éventuellement, ce qu'il encourt s'il les utilise d'une manière ou d'une autre qui n'est pas souhaitée. Justement, on va parler de la protection des données dans la deuxième euh, partie de cette interview, mais pour le moment, c'est la sensibilisation, comme vous le dites, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la communauté internationale a décidé de faire du 31 mars la journée internationale bah, de la collecte des données informatiques. Alors, Là, on parle de données informatiques. On continue les échanges avec toi, Al-Mokhtar Est-ce que peux-tu nous dire, à l'échelle individuelle, c'est-à-dire quand je prends moi, Olivier, en tant qu'individu, euh, c'est vrai que j'ai accès à des données d'autres utilisateurs et d'autres utilisateurs aussi ont également accès à mes données. Quelle est ma responsabilité par rapport aux données que je collecte chez les autres C'est-à-dire, quelle est la responsabilité d'un individu face à un autre individu, par exemple D'accord. La première responsabilité consiste à expliquer clairement à tout un chacun concrètement la quantité, la qualité, la spécificité de la donnée que vous recueillez chez lui, et ensuite lui expliquer clairement l'usage que vous allez en faire pour finir par demander son autorisation. C'est très important. Certes, aujourd'hui, ici, nous n'avons pas des mécanismes très poussés, mais moi, je vous conseillerais, par exemple, aujourd'hui, si pour un travail X ou Y, vous pouvez faire une petite fiche à travers laquelle la personne signe et marche et accepte que ces données collectées sont prises dans tel usage et qu'elle donne son consentement, je pense que ça serait bien. Ensuite, pour vous-même, euh, aujourd'hui, vous avez des données que vous générez dont vous devez vous assurer de l'usage. Euh, vous allez partir en ville, vous allez vous connecter à un wi quelconque, vous serez à l'aéroport, vous serez dans une université, vous serez dans un restaurant. Derrière, vous ne savez pas ce qui est fait. Donc, les premiers conseils que je donne aux gens souvent, c'est de vous assurer que vous-même, vos données que vous générez sont bel et bien sécurisées. Certes, il n'y a pas une sécurité euh, extrêmement parfaite. Mhm. Mais on, on, on s'attelle à ce que vous ayez le maximum possible. Donc commencez par sauvegarder à travers souvent des applications comme les VPN. Comme chaque vendredi, nous vous proposons ce qui fait l'actualité de la presse écrite nigérienne. Cette semaine, c'est de la revue de la presse avec Ali Taïsir Hamed. Ali, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Mariam. Ce matin, tu nous amènes à le souffle de Maradi, rapporte que les femmes transformatrices de la région conquièrent une bonne place dans le marché central de la ville. En effet, les femmes transformatrices de Maradi ont désormais un quartier à part dans l'enceinte du marché central de la ville depuis le lundi passé, nous informe le journal Le Souffle de Maradi. C'est le lieu pour ces femmes d'exposer et de vendre le fruit de leur expertise en matière de transformation des produits agricoles et arboricoles. Le journal précise que l'on pouvait acheter du couscous, des haricots, de la tomate concentrée, de la farine de duguay, de l'huile du moringa, du savon à base d'arbre connus, ainsi que de la vannerie et d'autres produits de décoration intérieure. C'est une opportunité pour ces femmes de rendre visibles leurs produits aux clients potentiels. Le Niger est-il en voie de se conformer aux exigences de l'UEMOA pour l'harmonisation du baccalauréat dans la sous-région Oui, une question posée par l'agence nigérienne de presse le mardi passé. Le comité scientifique national et le représentant du Niger au sein des comités scientifiques régional pour l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace IOMOA ont été installés par le ministre de l'enseignement supérieur PhD Mamoudou Djibo et le ministre de l'enseignement technique et professionnel Kassou Mokhtar. Ce comité national a pour mission, entre autres, de mettre en œuvre les recommandations du comité scientifique régional, de mobiliser les acteurs au niveau national, d'assurer l'organisation et le suivi de la mise en place du baccalauréat harmonisé au niveau national, rapporte l'ANP. Jusqu'à une date récente, le Niger n'arrive pas à respecter l'intervalle requis de l'IMOA pour l'organisation du baccalauréat qui est du 18 au 20 juin. Cette année, les épreuves du, début les épreuves débuteront à partir du 19 juin 2023, précisent les sites nigériens d'information. Eh bien, Ali Tajissir, en cette fin de semaine, le patron de la Banque mondiale est au Niger. Peut-on avoir des détails sur sa visite Effectivement, depuis hier, le président du groupe de la Banque mondiale séjourne au Niger. Il est en visite officielle jusqu'à demain, le 1er avril une visite durant laquelle auront lieu des discussions sur les renforcements de la sécurité et de la paix, la croissance économique inclusive et durable, de la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie et de l'importance de l'éducation, rapporte le quotidien L'Enquêteur. Merci Taïsir pour ces informations. Le Niger sur se poursuit avec notre invité du jour. Et c'est le moment d'entamer la deuxième partie de notre entretien du jour avec Al Mokhtar Seni. Avec lui, nous abordons la question de la collecte des données informatiques. Pour cette deuxième partie de l'émission Le Niger sur Kalangou, nous allons continuer avec notre invité du jour, Al-Mokhtar Seni, spécialiste en transformation digitale. Il est là aujourd'hui pour discuter avec nous par rapport aux données informatiques. Avant de partir à la pause, on parlait de notre responsabilité individuelle et aussi de ne pas minimiser le fait qu'on soit une personne dite pas trop importante, qui n'a pas beaucoup de choses à protéger de sa vie, négliger son hygiène numérique, si on peut le dire ainsi. Alors, si on va un peu plus loin, plus on est nombreux à utiliser le digital, plus on génère une grosse quantité de données. Conclusion, aujourd'hui, ouais, la responsabilité pèse beaucoup plus sur ceux et celles qui collectent un grand nombre de données. Est-ce que pour vous, cette analyse elle est juste alors, je dirais que la responsabilité, certes, euh, elle pèse sur certainement ces, personnes, qui, ces structures qui collectent, mais elle est aussi partagée. Du point de vue euh, entreprise, structure X ou Y qui collecte, comme, comme évoqué en amont, aujourd'hui, nous avons une agence locale qui euh, essaie vraiment de, réguler tout ce secteur, de, partager un certain nombre d'informations et de s'assurer que c'est conforme. Donc, les agences actuellement, quand vous, prenez le cas du Niger, sans citer X ou Y, vous avez les télécoms, vous avez les banques, vous avez les sociétés d'intermédiation monétaire de transfert d'argent, vous avez des particuliers qui développent des plateformes web ou des plateformes mobiles, ainsi de suite, qui génèrent de la donnée. Ça, c'est pour notre cas, sans rentrer dans les détails. Ces personnes, évidemment, euh, se conforment en tout cas pour certaines informations que j'ai, commencent à se conformer. Et même du point de vue des activités X, moi j'ai eu des cas où souvent pour aller faire les enquêtes, ils, m'ont fait comprendre que réellement toutes les données, avant de faire euh, cette action d'enquête, ils, ont eu à, prendre contact avec euh, l'autorité en question pour s'assurer que tout ceci euh, est conforme et respecter les normes. Maintenant, du point de vue personnel également, souvent, une fois que vous êtes intermédiaire, vous devez vous assurer que la personne est bien consciente de ce que vous prenez avant de transmettre. C'est très important parce que ce n'est pas tout le monde qui est très, euh, disons, très informé, qui sait concrètement comment ça se passe. Donc, ça, c'est concernant les intermédiaires, vous, vous devez vous assurer que tout le monde est très, est très conscient de ce qui se passe. Et ensuite, derrière, vous assurez qu'une fois que c'est pris, ça sera bien utilisé. Après, pour vous, en tant que personne même qui utilisez vous, vos propres données, je l'ai évoqué tout de suite, vous avez un certain nombre de mesures de personnes, personnelles à prendre. Et une fois que vous prenez celles des autres, même pour votre usage personnel, là encore, je reviens, soyez sûr d'abord qu'elles comprennent clairement ce, que, dont vous allez en faire. Et en amont, comme vous avez pris des mesures pour vous-même, bien sauvegarder vos données, bien les utiliser, ça euh, vous devez aussi l'appliquer à toutes ces données personnelles que vous collectez éventuellement pour votre usage personnel. Alors, les données ne sont pas que des affaires personnelles, des affaires d'entreprise, ça devient des affaires d'État aujourd'hui. Dans les grandes nations, on voit que les grandes nations se, se taillent la part du marché des données mondiales. Quand on voit aujourd'hui la géopolitique, elle se construit également autour des données. En Afrique, nos, nos, politiques, les pouvoirs publics ont déjà commencé par prendre conscience de l'importance de la collecte, la diffusion le traitement, la sécurité des données des populations. Au Niger, par exemple, on est à une, population de plus de 20 millions d'habitants. Quand même, analyser 20 millions de données, ça peut permettre à X et Y de savoir quelles sont les priorités, les objectifs et bien évidemment les besoins de telle population. Est-ce qu'au Niger, on est déjà conscient sur le plan politique Alors, euh, n'étant pas dans la sphère politique, je ne parlerai que de ce que j'observe et souvent à laquelle j'ai euh, les choses auxquelles j'ai accès dans, mon travail au Tout quotidien. Oui, il y a un certain nombre de mesures euh, que, nous avons constatées depuis un certain temps. je vous ai déjà parlé de l'autorité en question. La haute autorité pour la... de la protection des données. Voilà, la haute autorité pour la protection des données. Mais également, du point de vue national, il y, il y, a, un certain nombre de réflexions qui sont en cours, sinon même lancées, pour euh, mettre en place des structures pour bien recueillir ces données afin de s'assurer qu'elles sont bien structurées, euh, bien sécurisées, éventuellement pour pouvoir les exploiter pour diverses raisons. Donc aujourd'hui, euh, moi je suis content d'apprendre qu'un certain nombre de nos informations, vous avez aujourd'hui votre fichier biométrique, le fichier biométrique, euh, vous avez d'autres informations, le permis que vous faites, le, le passeport, tout ça, tout ça. C'est des données qui sont sauvegardées localement, bien sûr, avec un certain nombre d'éléments. Donc moi je me dis plus tard, ne serait-ce que notre pièce d'identité nationale, une fois que vous la faites de manière biométrique, avoir cette donnée pour, pourra permettre plus tard de faire des usages euh, simplifiés. Ça veut dire qu'une fois que vous avez euh, fait une pièce d'identité nationale, demain pour faire un passeport ou pour faire un permis ou pour faire d'autres choses, on peut faire le lien facilement. Mais pour arriver à cela, il va, il va falloir bien sûr que la donnée soit bien stockée, bien structurée, bien sécurisée. Et il y a actuellement des, démarches dans ce sens. Euh, j'ai pour information que l'ANSI œuvre dans ce sens en termes de, stockage, d'exploitation. oui, euh, vous avez l'autorité qui œuvre actuellement. Et je pense que la prochaine étape sera pour nous vraiment d'avoir euh, l'infrastructure physique digne de ce nom. Parce que les data centers, les data comme, centers, on, le voit dans d'autres pays. Tout à fait. Hmm. Parce que de plus en plus, comme vous l'avez dit, on génère, euh, ça va dans tous les sens. Pour l'instant, il n'y a qu'une infime partie qui est captée. Et pour l'instant, je le dis aussi, pour l'instant, on n'intéresse pas un certain nombre d'acteurs malveillants ou bienveillants même qui mm. peuvent les exploiter sans qu'on ne le sache. Parce que pour le moment, on, ne représente pas beaucoup d'enjeux. Voilà, je vous donne aujourd'hui un exemple connu et vous allez imaginer sans doute qu'il y a sa version non connue. Aujourd'hui, si, si, si, Carrefour, qui est une chaîne de, supermarché, supermarchés, veut s'installer au Niger, je dis ça comme ça. Elle peut aller chez Facebook pour lui dire, écoute, moi je veux mettre tel ou tel type de produit. Peux-tu me dire, euh, les, les, jeunes au Niger, si tu prends 600 000 jeunes, quelles sont leurs, préférences, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, euh, quels sont éventuellement les types de choses pour lesquelles ils se manifestent. Facebook a votre numéro, votre localisation. Vous aimez des chaussures parce que vous likez des, pages de chaussures, vous commentez, vous partagez. Ils savent que vous êtes connecté de telle à telle heure. Donc, on suppose que vous avez un tel niveau de, de, de revenus qui vous permet d'accéder à Internet. Donc, ils ont une tonne d'informations. Et pour une personne X comme vous, les informations relatives à vous peuvent, par exemple, valoir 15 dollars. Alors, donc, dites, euh, devinez un peu 15 dollars multipliés par 600, 000, combien ça peut faire Ça, c'est le cas connu de ce qui se fait. Maintenant, imaginez derrière qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, qui peuvent accéder, je dis ça comme ça, on ne le souhaite pas, mais euh, à ces différentes données qui sont générées pour faire des actions au quotidien. Donc ça peut aller dans, dans, différents sens et je pense que euh, globalement, on commence à prendre conscience du point de vue décideur comme du point de vue public. il euh, y a des initiatives et on espère que ça aboutisse et qu'on ait en place une vraie politique réelle qui a l'infrastructure, euh, qui a les humains et qui fait derrière tout ce qui est sensibilisation pour que le, tout marche ensemble. Amis auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de cette interview. Nous espérons que ces temps d'antenne accordé à la question de la collecte, le traitement et la diffusion de données vous a été bénéfique. Marquons une petite pause avant la suite. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous continuons l'aventure cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire et aujourd'hui nous parlons entrepreneuriat. Eh oui, Oli, nous partons à Koni pour voir l'association des femmes transformatrices des laits de vache qui compte une douzaine de femmes. Elles ont été formées pour mener à bien leur activité. Madame Fatima Aman, présidente de la dite association, nous donne plus de détails. Elle est au micro de Hawa Ousmane. to wannan kungiya dai yanzu an kirkira ta da shekara guda nan da mun ka fara aiki dai shekara guda yanzu ku mata nawa ne kuke wannan aikin to mu dai mace goma sha biyu muke tare da su muke aiki kuma aikin sarrafa madara shi kaɗai ne kuke yi aikin sarrafa madara ɗaya ne muke yi mu sarrafa ta mu yi ta yawuru mu yi ta haka na lefre mu yi ta cuku man shanu wagas to in kun yi wannan kayan ina kuke kai su kuna saidawa nan dai muke saida su cikin garin kwanni da tawa a tawa ma kuna da wakilai eh tawa ma muna da wakilai akwai wani proje da ake ce ma concern suna ɗoka daga nan suna kai can to shi wanga aikin da kuke yi na sarrafa madara ya ne kuka kuka girka ita wannan kungiyar ƙungiyar ɗaya mun girka ta saboda mun samu tallafi ga mutanen fefeyawo su sun ka girka muna ƙungiyar sun ka gina muna gida sun ka kawo muna kaya sun ka ceto gashi nan wanga ɗaki daga yau an gina shi bisa kan aikin madara na sarrafa madara mun ka samu shi ma magajin gari ya samu muna wuri wanda inda za a yi muna ɗakin kenan ko nan ma mun ji daɗin abin to wannan madara da kuke sarrafa ta shanu ce kuna da shanu kuke tatsa ne ko kuma zuwa ne kuke kuna siyo madara cikin ƙauyuka wurin hulani to lalle madara sai ta na muka zuwa na muka muna siyo ta ga masu madara muna sai nan cikin gari muna zuwa ƙauyuka kuma muna siyowa wajen ba zaga ana siyo muna ita ana kawo muna kuna da na'urori kayan aiki na tantance madarar ku daidaita ta to ba mu da na'urorin da muke tantance ta amma dai in dai tana da wata mishkila da mun gani mun sani to kenan muna so nan gaba in mun samu tallafi zuwa ga kungiyoyi ko wasu masu hannu da shuni haka mu samu kayayyakin duka wanda ya kamata mu auna madaranmu mu ga ko kakane take to yanzu kamar madarar daga nan da kwanne da zuwa ta wani kuke saida ta baya ga shi ba ku samun su haka nan ake zowa a sai kamar nan cikin shagon naku koko nan cikin shago ake zowa a sai kuma muna da masu talla masu doka su ta siyo talla siyo yawo da ita yaya zancen kasuwa ana samun ciniki koko to kasuwa dai alhamdulillahi mun yi ma Allah godiya tun da dai in ka yi abu ana yaba shi don kuma an san valar kin shi ingancin shi ne yake sa ana sayi ne tun da an gani da na kwarai ne mutane suna saye dai alhamdulillah daidai gwargwado ne to yanzu kamar kina iya gyara irin matsalolin da kuke gani a wajen wannan aikin na sarrafa madara lalle muna samun matsaloli don wani bi madara daga can wurin ɗauko ta ana samun matsala don in an ka sata cikin kayan da basu da tsafta lalacewa ta kai kuma wasu suna zuba ruwa ciki ko kuma wasu su sa nyaman ma cikinta kenan nan muna samun matsala tun da duka asarar ta zamu kenan muna da matsalar adana ta wurin da za mu zuba ta ta zo lahiya lau to yanzu kamar su ga wanda suke muku talla cikin gari cikin me kuke basu suna kaiwa suna saidawa kuna da manyan wurin sawa da yadda ba za ta ɓaci ba haka da wuri eh muna da tarmusoshi cikin tarmusoshi ne suka sa suna zuwa na yi wata in babu wuta akwai matsala gaskiya muna samun matsala wajen rashin wutan nan shine muke so nan gaba projen su sa muna energy solar yana in dai akwai shi ko nijelek ta ɗauke wutar tawagga tana nan ga aiki shi muke fata Merci à Wausman pour cet entretien. Nous profitons pour saluer tous nos amis, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement à Binikoni, dans la région de Tawa. Tawa, on revient tout à l'heure. Mais à présent, nous vous proposons la rubrique rose consacrée au conseil et bien-être concocté par les femmes du studio Kalango. La rubrique rose au bout des ongles nous renseigne sur comment calmer les brûlures d'estomac avec les ingrédients apportés des mains. C'est aussi des astuces à cuisine et aujourd'hui nous saurons comment préparer la sauce gombo bien guillante. Hum, tu aimes ça Ah oui, <laughs> tu sais. <laughs> Ravi Moekano, Rukayatou Abdourahman et Fonta Shamsou nous plongent dans ce décor féminin. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Avec moi, Rookie, dans l'espace santé et bien-être, vous découvrirez comment soulager les brûlures d'estomac avec des ingrédients à portée de main. Et dans l'espace astuces beauté, on va parler de l'acné et comment s'en débarrasser. Ça sera avec moi, Fanta. Et enfin, en cuisine, dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et sauces feuilles. Ça sera avec moi, Bibi. Salut les filles, j'espère que vous vous portez Très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un mal-être assez fréquent chez certains d'entre nous. Il s'agit des brûlures d'estomac. Cette sensation désagréable qui peut nous surprendre à tout moment de la journée se règle avec des ingrédients et épices que vous pouvez trouver même dans vos cuisines. Le premier produit, c'est le lait. Un verre de lait froid peut nous soulager en cas de brûlure d'estomac de façon temporaire. Si vous ne tolérez pas le lactose que contient le lait, cette astuce est déconseillée pour vous. Le bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira le niveau d'acidité de votre estomac. Il fonctionne comme un antiacide. Cependant, ces remèdes naturels ne remplacent pas les traitements médicamenteux qu'on vous prescrit dans les hôpitaux et centres de santé. Donc, hâtez-vous chez un médecin si les brûlures d'estomac persistent. Je le confirme parce que euh, à mes débuts de crise d'ulcère, je fais vraiment un traitement choc et on me l'a fait à la clinique et depuis ça fait des mois, il n'y a plus rien. Donc vraiment le mieux c'est de se rendre dans un les astuces, là c'est pour les flemmards. <laughs> un vrai traitement c'est mieux. Merci à toi Fanta. Coucou les filles, comme je le disais, on va parler de comment se débarrasser de l'acné. Mais avant, il serait intéressant de savoir reconnaître les différents types d'acné. Pour faire simple, L'acné, c'est une inflammation de la peau caractérisée par des points noirs, des points blancs et des taches rouges. Pour faire encore plus simple, c'est ce que nous tous appelons les boutons. Mes petites recherches un peu partout sur le web m'ont amené à conclure qu'il y a plusieurs types d'acné. Numéro 1, il s'agit de l'acné juvénile. C'est l'acné classique de l'adolescence, les boutons qui apparaissent à la puberté. On les appelle aussi polymorphes car les boutons prennent différentes formes. L'acné commence très souvent avec l'apparition de points noirs et des microquistes ou comédons fermés exclusivement sur le visage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'acné hormonale. À la base, l'acné est toujours hormonale puisque la sécrétion du sébum est contrôlée par les hormones. Cependant, il existe des cas où un déséquilibre hormonal peut l'expliquer. Par exemple, l'impact du cycle menstruel féminin c'est également largement impliqué dans l'acné avec une intensification des boutons en période prémenstruelle. 50% des femmes adultes acnéiques observent une évolution de leur acné au cours du cycle avec une poussée de 7 à 10 jours avant les règles. L'acné apparaît le plus souvent sur le visage mais aussi sur la poitrine, le dos et la partie supérieure des bras. L'acné touche environ 90% des adolescents. Elle génère un plus grand nombre de consultations médicales que n'importe quel autre problème de la peau. Je m'arrête là sinon il y encore plusieurs autres types d'acné. Demain, on verra comment s'en débarrasser à travers des astuces naturelles. merci bien, Fantala. On passe à la cuisine. Nos amis jeunes, comme je le disais tantôt dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et feuilles, des astuces que j'ai découvertes grâce à une amie malienne. Ces sauces traditionnellement consommées le soir, accompagnées de la pâte de maïs ou de mil, sont quelquefois préparées avec peu d'ingrédients et d'assaisonnement, ce qui est bien dommage les filles. En intro, ne fermez plus vos marmites après l'ajout du gombo ou des feuilles, cela permettra à vos sauces de maintenir leur texture gluante qu'on aime bien. La première astuce est la friture du sumbala avant de le piler, ce qui va atténuer sa forte odeur et rendre son goût meilleur dans vos sauces. Puis l'ajout de la pâte d'arachide dans la sauce gombo ou les sauces feuilles. Pour les meilleurs résultats, ajoutez-la au même moment que les épices pour la faire frire avant d'ajouter l'eau. Essayez et vous aurez du mal à faire sans dans vos prochaines sauces. La suivante astuce, je vous conseille de tester l'huile de palme rouge dans vos sauces 10 minutes avant la fin de la cuisson. Un véritable voyage à la côte. Enfin, ne lésignez pas sur la qualité et la quantité de la viande. Perso, je préfère celle de mouton, de poisson frais ou fumer dans vos sauces. Elle mérite cette attention et vos papilles méritent le meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, euh, nos amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Nous sommes ravis d'avoir ces bonnes informations de nos, de du studio Kalangou. Le Niger sur Kalangou, c'est une émission qui fait le tour du Niger en une Et ce vendredi, nous allons cette fois-ci dans la région des Difa. Évidemment, durant toute cette semaine, nous vous avons promis de faire le tour de quelques marchés en région pour nous imprégner des prix des produits de première nécessité. Ce matin, direction la capitale du manga où notre correspondant Guidi Abdraman nous amène au plus près des commerçants et des clients. Pendant ce mois de Ramadan, nous consommons beaucoup et surtout pour la rupture, les jeûneurs utilisent du citron, du gingembre et autres fruits très disponibles sur le marché et dans la ville, comme ces clients qui sont venus s'approvisionner et leurs avis sont partagés concernant les prix. Na sha Allah kasuwa dai ga tana alhamdulillah. Zan siya janjambar da da mant lemun tsami sai persil seleril kawai. Mun samu daidai karhin mu. Sun dan ƙara kuɗi amma ba sosai ba alhamdulillah. Farashi ya hau ai kowa ya san yanayin kasuwa mm, azumi ya zo masu kaya suna dan ƙara kaya amma dai alhamdulillah gaskiya ba sosai ba. Na zo na saya lemun tsami ne da cita tuka yanayin farashin ne yana su yana da arha albarkacin wannan wata in an kasuwa in sun zanna sun yi duduba sun rage ma al'umma saboda mutane su sha ruwa cikin jin daɗi matuka tuka dai abin da ya arha a yanzu ya yi arha parafor da da wancan albarkacin wata azumi ne yasa in kasuwa suka zanna suka yi analiza da kansu suka yi rage farashin kayayyaki na zo sayan lemu ne da citta saboda lemu yanzu irin ju nan na irin gwangwanin nan da ake saidawa gaskiya ba natural ba ne gara ka sai kayan ka da hannunka ka zo ka hada shi a gida su lemu su citta ɗanye gashi na yanzu komi danye akwai shi a kasuwa masu gidajen mu ma sun yi son irin ju'in nan natural ba irin na gwangwani ba kuma hallo in ka sha ma ka yi samun kuzari a jikinka amma sai dai su lemu su citta na akwai tsada a kasuwa gaskiya tsada gare su ba kaman mm, ko da yake ko dan azumin ya zo ne ma amma gaskiya suna da tsada duk da tsadan su dai mu mun yi so dai mu sha natural ɗin don jikinmu ya samu kuzari. To ganin na shigo cikin kasuwa ni ma dai saboda in sai kayan ɗanye fruit kenan kwa kamar su lemun dai da sauran abu amma ta gaskiya akwai tsada amma ni lemun ban ga tsadar shi gaskiya kashi ɗaya ɗa hudu ne ake saida kashi ɗaya ɗari biyu kashi uku san kasan ni dai ban ga tsadar shi ba kuma manya manya da su gaskiya dai ban san dai ko an yi katari ba dai da masu tsada ina sayar gingembre ina sayar citron a tar lemun tsami da saboda in shi kun san shi natural shi ya yi ba da lahiya ko mhm. wancan ba a san ba da wani irin produce ne ake hada shi produce shi mi farashin da yi ba laifi mataki na shanjan fure amma gaskiya lemun tsamin ba su da ma ba a samu ma manya mafi yawanci kanana ne gaskiya akwai tsada dai gare su kaɗan haka kusan duk abin da yake faruwa a yanzu a azumi komai ya hita da suka ji suna cewa su ma suna sarawa da tsada suke sarawa visiblement les prix pratiqués varient selon le revendeur mais selon Moussa un vendeur de fruits que nous avons rencontré certains produits frais coûtent cher maintenant à cause du Ramadan lemun tsami kwaliya muna sai da jika biyu jika biyu ba da 40 kamar asali haka haka ita kuma ta da muna sai da mulsan shi to yanzu ya zama to harka ne na ajimi wannan suka kara kudi ya zama to tiya jika biyu yanzu shi tiya wannan bahun shi da muna sayan jika 20 jika 20 fa daya to yanzu ya kuma jika 25 wani gun ana sai da 26 shine sa aka samu karin nan to kasuwa alhamdulillah sai dai godiya kawai eh, ana iya bakin gwargwado wannan sai dai masu sayan kan suna dan cewa abubuwan ne duka ya tsada gaba daya sai dai hakuri kawai mun ba lehin bane lehin kan masu kama na kani haka ko komai yana samu nan me samfuran me sankanta ne ko komai yana samu iya bakin gwargwado kawai ba dai bane gaskiya lokacin nan malgré la disparité des prix des produits frais sur le marché chacun y trouve son compte pour subvenir à son besoin quotidien sans transition, on rejoint notre correspondant Adifa Guidi Abdourahman. Bonjour et merci pour ce beau reportage. Bonjour Olivier. Yanné, dada et oui da alhamdulillah. Salut, ah. olivier <laughs> Et eh, mariam mariam te salue aussi Machallah, ina gaida <laughs> Alors, comment est-ce que les populations de Difa arrivent à se conformer à ces prix qui ne sont pas du tout les mêmes selon les commerçants Oui, bien qu'il y a le, manque surtout de l'argent, de, de, les gens arrivent en tout cas à faire le mieux, quoi pour subvenir à leurs besoins, bien que euh, tout c'est tralala quoi. Hmm. Alors, y a-t-il un moyen qu'avant la fin du mois béni, on puisse espérer une baisse des fruits et légumes parce que nous sommes quand même en période de culture de, culture de contre-saison, ou bien Oui, dites Est-ce que y a-t-il un moyen d'espérer avant la fin du mois béni, on puisse avoir euh, une baisse des prix des fruits et légumes oui, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire euh, la production de, contre-saison. Mais pour le moment, c'est des fruits qui sont euh, en provenance du Nigeria, quoi. Ok. pour oui. Hmm, d'accord. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mariam a une question pour toi. Ok. Mariam, Non, il a déjà répondu à la question. <laughs> Alors, on profite pour euh, saluer tous nos amis de DIFA. J'espère que le jeûne, ça se passe bien là-bas. Merci très bien. Ça se passe très bien, Olivier et Mariam. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne rupture à toi. Bye bye. Nous continuons ce grand rendez-vous du Niger sur Kalangou avec le sport et c'est présenté par notre chroniqueur Soumana Amadou. Soumana, bonjour. bonjour à tous. Après leur qualification à Khartoum pour la phase finale de la Cannes U23, l'équipe nationale de football de moins de 23 ans est de retour au Berkaï. Oui, c'était hier, dans les environs de 14h de Niamey. Le public de la capitale Niamey a réservé un accueil riche en chaleur à notre équipe U23. Donc, euh, de l'aéroport euh, Djori Hamani au centre-ville, les amateurs du ballon rond sont sortis massivement pour manifester leur joie et montrer leur reconnaissance aux joueurs. Notre reporter Salamot Kadri y était et elle s'est entretenue avec l'entraîneur du MENA U23. Il s'agit de Zakaria Yaou Ibrahim. On est allé vraiment chercher cette qualification avec tous nos tripes, comme on dit, parce que d'entrée de jeu, le plan de jeu consistait vraiment à attaquer l'adversaire, ne même pas les laisser réfléchir. C'est ce que les enfants vraiment ont, vraiment su faire. On a été récompensé dès la première mi-temps par un but. En deuxième mi-temps, on était revenu avec les mêmes intentions. On a poussé, très malheureusement derrière. L'adversaire a marqué un but sur hors-jeu net. L'un de ceux décourageux, vraiment on a continué à attaquer on a pu marquer le deuxième but libérateur. Et ce deuxième but qui nous qualifie maintenant, enfin pour la Cannes 2023, euh, tant escompté tant, tant désiré. Nous sommes très contents, nous sommes fiers vraiment de ce qu'on a pu faire parce qu'on l'avait promis et par la grâce d'Allah subhanahu ça s'est réalisé. Vraiment, nous remercions tout le peuple nigérien qui nous a accompagnés dans les prières. Et merci aussi à vous, les journalistes, vraiment qui avez cru en nous. Et à travers votre micro, nous remercions tout l'organe de communication du Niger. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Nous souhaitons bonne chance au poulain des Akria pour la suite de la compétition. Merci Soumana, chers amis auditrices et auditeurs, ce qui va suivre, ce n'est pas du sport. Eh oui, Oli, Farid Boureima qui nous amène à Tintabaraden de la région d'Etawa. Il nous amène à la découverte d'un crieur public, un métier presque ancestral toujours pratiqué par Ali Abdoulaye. Il est jeune, âgé de 27 ans. Il exerce cette activité au nom de la radio communautaire de la commune rurale de Tinta. Chers amis d'Ottawa, je vous avais promis un retour. Nous voici avec ce reportage de Farid Boureima. Depuis trois mois, Ali Abdoulaye est le crieur public de la radio communautaire de Kintabaraden. Un travail qu'il effectue selon lui pour rendre service à sa communauté. Je fais l'école, je fais mes études. Je n'ai rien trouvé le travail, mais j'ai trouvé le crieur public pour aider les gens de Kintabaraden et les gens de toute la zone. Je fais une petite formation, mais machallah je suis très, très, très content. Même ma maman, elle est très contente parce que j'ai trouvé le travail là, tout le public maintenant. Ils ont compris que moi je suis le public de Chanta. Si maintenant on a un projet, le directeur m'appelle, m'informe je vais tourner tout dans la vie, au quartier, quartier là. Je vais expliquer, je vais le dire l'air mon formation. Quand je finis là, je, à, l'autre quartier. Mohamed Sidi, directeur de la radio communautaire de Kintabaraden, explique les raisons pour lesquelles ils utilisent les services d'un crieur public et Mohamed apprécie le travail. Si tu n'as pas de poste radio, le crieur public, il est venu à ta porte, il a entendu, il a un mégaphone. C'est une information passée, de proximité. C'est un travail vraiment très respectable parce qu'il gagne sa vie là-dedans hein, à travers la radio. C'est parce qu'il est jeune, c'est parce que c'est un débrouillard, c'est parce que c'est un homme qui est prêt à travailler à n'importe quelle heure. C'est pourquoi on lui a donné une attestation signée par le maire de la commune urbaine de Tienta. J'ai rédigé, j'ai signé moi, et le maire a signé pour moi. En plus d'être le crieur public, le jeune Ali Abdoulaye exerce une autre activité qui est d'ailleurs sa passion. Il est artiste, musicien. Il s'est même fait une renommée dans la zone. Je suis DJ, je suis batteur, je suis guitariste au solo. Je fais tout. L'animation, là, c'est mon travail, c'est ma vie. Je peux pas laisser ça. Bon, fais fait, j'ai fait Agadez, je fais Arlit, Kabalak, tous les gens me connaissent. Même maintenant, on m'appelle tous les jours. Même hier, on a fait un soirée. Il y a mon groupe, Mina Chantabaralen, Azawad. Il y a trois morceaux qu'on a fait. Il y a, il y a Waten Hiyam, Tizrabi, Touma, Stekat, Azawad. Ça, c'est les premiers sons. Il y a le deuxième encore. Aujourd'hui, Ali parcourt les villages environnants dans le cadre de son activité de crieur public pour informer la communauté. Merci Farid pour cette belle découverte à l'ère du digital. On est tenté de croire que certains métiers sont en voie de disparition, mais en fait, non. Ouais, et ce portrait en est l'exemple vraiment palpable. En tout cas, salutations aux amis de Tinta, chers amis auditrices et auditeurs. Passons au, au, rafraîchissement à présent. Nous retrouvons encore Hawa Ousmane qui nous propose cette fois-ci une recette de jus naturel à base de pain de singe appelé ko en zarma et kuka en hausa. Oli Hawa est allé à la rencontre de Madame Sido Sarot Ibo qui nous explique comment les préparer à moindre coût. jinai ki ga tai mo isa tai da kalmant citronel da ko hamni de sucre nga dai no roga Naturel da natural no roga te irsa ku da sare won beje jiyo di matki ga din eh, borkan sindi mixer danga borkan sindi machine o kanga haye fufu e mam to de citronella eh, o bara zargandi no din ni zargandi ni ma kokosu wani ni min ko hamno dan tasara ni mo din ko hamno dibi ina kokoso kun nim citronella eh, da manto haro din ma do rara tunandi après irwo irgine sino ko haro litre fo ni gidanga ara sikr kilo fo di demi nim kwasan mu ma dorin kusora nim danjo diyandi nim sikro dorara nim ni kur gundo sam sebega atunandi kal sikro kul man kwara du sikro man ni di kan son kay ago ago sintin ka wasu nim kur gundo kara nim fande am sobega wasu ago tonan kan din kawr dangara kunik di kan aga te del del kula te siro siro ama isa conserver kaushu butala kadai guru butale di

ibagisidaa yey din gon frigo na gadan frigo aga agi ek chaddi tonto yani te ni si lokaci bobo wallahi te handu ag te ba jira man sara jira hingi te ka man sara Mariam, tu m'invites ce soir il n'y a pas de souci. <laughs> Merci, Awa, Ousmane, chers amis auditeurs et auditrices. Nous restons dans l'univers féminin. C'est le moment pour nous de s'intéresser au lotis des femmes du studio Kalangou. Les sujets du jour éducatif. Pour leur épanouissement, les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents, avoir des conversations, des petits moments privilégiés avec eux. Enfin, quand c'est possible et dès que c'est possible. Cela est important pour les tout petits comme pour les plus grands. En aucun cas, il ne faut pas prétester ne pas avoir du temps, n'est-ce pas Rakia Harimi et Samira Rouafi nous en dit plus. in shiga cikin hayyacina don Allah. Na ce ki haɗi mini abin da ke damu ki. Wani matashi ne mota ta buge yanzu nan tsal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ji ciwo sarai. To duka alamu sun nuna hakan gaskiya saboda ba ƙaramin buguwa ya yi ga mota ba. Yana cikin wani mayan gudu ne in ki gani. Ga jita-jitan mutane ma cewa aka shi da ma'aifin shi ne sun ka samu wata yar gajeriyar matsala sai ma'aifin ya kore shi da gidan. Hmm. Bawan Allah da fatan dai ya tsira. Kin gani ko? wannan shi ne matsalar iyaye alhalin su bi abin da sauki sai su ɗauke shi da zahi da yaron nan bai shiga wannan halin mutuwa ko rayuwa ba to kin san yara ba iya sa musu ido balantana ma an sun fara tasawa abun yi shi ne ba wa ka damar hira da kai da kuma ba su shawara hanya ce mai mahimmanci na gane ɗanka da kyau kuma wannan ya shafi uwa da uba a faɗar masana uwaye sun fi zama da yaransu dangane da ubanni. Haka ne mana keko, kin san ubannai ba su da wannan isasshen lokacin cewa su zo su zamna ai wani hira da yaro aiki suke don su samu abin da za su ci da iyalinsu kenan kin ga dole ne a ce uwa ita za ta zamna ta kula da tarbiyyar yara babu zancen dole ne anan uba ma kamata ya yi ya ba wa 'ya'yan shi damar hira da shi yana da mahimmanci yaro ya samu kula daga iyayen shi shi zai kare su da duk wani tsana da rashin jituwa tsakaninsu. Aha. ai ni ban san wa'annan abubuwan ba to gaya mini ya ake kwarai kuwa i kokarin ba su damar sanin mahimmancin iyaye da kimar ku da yake gani to yanzu salamu gwada mini ya ne zan yi in gwada mishi da yana da mahimmanci a idanuna mu ba wa iyanmu damar kasancewa da mu don yana buƙatar kasancewa da uwa ko uba kaɗai a wani lokacin in bai samu hakan ba yana iya ɗaukan wani irin hali ɗaukan wasu tabi'u wanda ba naku ba balle ma kasancewarsu da wasu yara ku yi ƙoƙari zai sa kuma ku san cikin mi ɗanku yake wayyo Allah ina zaton rishin wa'annan abubuwan da kika zano min ne ya ja rishin jituwa tsakanin wannan yaron da mahaifin shi kai ana iya gyaran yanayin ma in ya kazamce babu abu mai mahimmanci da yahi shakuwar uwa da ɗanta daga kun shaku babu abin da za ku iya ɓoyewa juna In na gane kenan Salmu, matukar ina ba ɗana mahimmanci, wannan yana sa ya saki jiki da ni? Hm, Mina, kisan da cewa ba yawa ba na kirkin ake so. 'Yan mintuna a kowace rana ya isa muddin ana gane wa juna. Babu abu mai daɗi da ya fi kasancewa tare da ɗanka tsawon lokaci da yawa. Balle ma, wanda kake gani hankalin shi bai gare shi in ba haka ba zai iya jin kanshi kamar bare. Wai wai wai gaskiya kula da yaro sai an gama da dauriya da haƙuri kai <laughs> na sani kukan yaro halayensa aiki aikin gida da ayyukan sada zumunta suna sa muna manta abubuwa masu muhimmanci cewa da kula da yaranmu duk da haka wasu suna ƙoƙarinsu wasu kuma a'a amma dai mu yi ta ƙoƙarinmu to kin ji salmu na riƙe duk abin da kika gaya mini kuma ina ganin cewa in dai lokaci ya zo zan iya kula da abin da na haifa na gode ƙawata da irin wannan jan hankali da kika bani <laughs> gaskiya ke babbar likitar kwakwalwa ta ce a to wai ba in kunne ya ji jiki ya tsira in ji hausawa suka ce <laughs> Merci à vous les filles. En tout cas, j'espère que vous avez appris de belles choses et surtout l'éducation de nos enfants, ce n'est pas un jeu, c'est l'essentiel qu'on peut retenir. Dans la rubrique culture linguistique, Alamine Wachar nous explique le mot partage. Monsieur Wachar, bonjour. bonjour. Olivier, bonjour Mariam. Aujourd'hui, je partage avec vous les mots partage. Actualité oblige, puisque nous sommes dans les mois bénis des Ramadan, qui est aussi un moment de communion, de partage. Le partage, c'est l'action de diviser en parts, séparer en parties distinctes ou encore donner une partie de ce que l'on possède. Cela appelle partage. Par exemple, je partage mon repas de la rupture avec Olivier ou bien pas mon vrai, voisin. C'est pas vrai. il partage rien avec toi, c'est ça, non Il partage rien avec moi, mais il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut partager. Inch'Allah. <laughs> Alors, en Tamashek, si tu dois m'inviter à venir partager le plat ce soir, qu'est-ce que ça donne داتماجق المعنى انتوزون نرد يسيقلا سصفتين وزرنا زرنزا sana masna صنماصنها tali. رمضان تموس تالي تنتظن تالي انتيدو تالي تشيدو وتيتي في الجنة وين تظن نال خيرا تظن تيمان تاكل تاتموس نزم الزين نرى تقاقو تدقر مدي تقاقو إيجانة هروادا المثال في الجنة ويقلن تا تفراغت تكفا ويدن تدقر نرد وات التفا أتو تكفى جناني nek Merci, monsieur Wachar, Tu vas partager ton plat avec moi le soir, mais là, tu viens de partager avec nos auditrices et auditeurs ta connaissance. On te dit merci, on te retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas Inch'Allah. À la semaine prochaine. Chers amis, c'est l'heure de retrouver ceux et celles qui nous ont laissé des messages. Nous partageons ce beau moment avec vous. sunana Hussein adam ina nan zaune garin gegime e lalle ni ma abocin sauraron studio kalangu ne saboda akwai fadakarwa da yawa tattare da su wannan dalilin yasa kowane lokaci radio na yana kusa da ni musamman akan abin da ya shahi harkan matasa sosai suna kawo rahotanni diya game da harkokin matasa wannan yana burgen bancin haka suna magana akan abin da ya shahi lahiya duba da cewa duk wani abu sai da lahiya ake shi kuma studio kalangu suna magana game da wannan brema ina jin daɗin hakan gaskiya eh, lalle gaskiya babu abin da zan ci nan sai dai mu ce muna miƙa godiya saboda in kai lissahi akwai abubuwa diya na karuwa wanda baka san su ba a ilimance amma kana sauraron studio kalangu mai gaskiya abubuwa diya kana ganiya sosai ma to ina gaida kai karan kanka abdullahi maina sannan ina gaida yan studio kalangu ma su ma ina gaida su ina gaida makwabciya ta ramatu mai auren gayu sunana ali adamu muhammadu daga nan mai ina daga daya daga cikin mabiya wannan radio mai albarka waga tasha mai albarka ta radio kalangu shirye-shiryen su da dama amma musamman shirin suna na marece wanda suke kan forum kinnan na deba da a takaice kuma da eh, shirye-shiryen na tus alafada na jan wannan musamman shi eh, ina gaida alhaji makel mai sai da kayan nan garin gegime ina gaida alhaji barga sarkin laborori na tashan kishi na gegime safiya tahiru wakiliya ce ta mata na club de big tempo nan garin da magaram abin da yake burge ni yake kayatar da ni ga studio kalangu musamman bangaren yara mata tarbiyyarsu yadda za su yi su tarbiyyantu su gyaru da yadda za su ilmantu ne ma ya birge ni nake son su tido kalangu a duk shirye-shiryen da za a yi ya zama wannan magana ta mata a sa su su yi lakwal a sa su su yi ilimi saboda yanzu mace komin Duke, in ba ta da ilimi banza ne ko maza ma sai mai ilimi suke so su arma shi ne sa nake so a ƙara a kan wayar da kai ga bisa kan wannan rayuwar ɗiya mata saboda ni mace ce ce kuma ina da ɗiya mata kuma kenan abun muna samun abun da yake mun amfani fiye da tunanin kenan abin da zan ce ma studio kalangu allah ƙara basira kuma su ji wannan kuka namu su ƙara faɗaɗa lokacin wannan wayar da kai na yadda za a yi a adana ɗiya mata tun daga farkon su har zuwa inda za su zama su amfani kansu har su amfani wani. Da farko dai ina gaida dukkanin 'yan kulaf da fada kuma ina gaida fami tahiru majami a nan da magaran ya mai maraɗi zanar da sauransu da duk wani mai sauraren studio kalanku kuma ina gaida Merci pour ces beaux messages, chers amis auditrices et auditeurs. Avant de se dire au avant de se dire au revoir, retrouvons Rafika Attaher pour les titres du soir. Rafika, bonjour. Bonjour Olivier, comment ça va Ça va, très bien. Alors, euh, pour commencer, dans l'édition de 17h, il y a une importante quantité de drogue, 18 boules de chanvre indienne d'une valeur de 9 millions de francs CFA, qui ont été saisies à Gaïa par la douane fluviale selon un de leurs agents. Vous aurez plus de précisions ce soir, la population de Madawa de la région de Tawa est confrontée à un problème d'approvisionnement en eau depuis quelques jours. Vous suivrez la réaction de quelques consommateurs et les explications du responsable départemental de la société d'exploitation des eaux. Et enfin, dans la partie magazine de l'édition du soir, nous parlerons de la différence entre la circoncision d'un temps et d'aujourd'hui. Merci, Merci Rafi. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de la rencontre de ce soir.